Euh, c'est le programme euh, Instrument contribuant à la stabilité et à la paix dans la région de Difa. C'est la haute autorité, le maître d'ouvrage. Ce programme se décline euh, à travers le renforcement de la sécurité aux frontières, le programme financé par l'Union européenne mis en œuvre par les différents partenaires, dont la haute autorité. La haute autorité chargée de suivre les activités des différents opérateurs. Il peut y avoir une réunion trimestrielle, ou semestrielle ou annuelle à travers euh, le comité de pilotage. La haute autorité est là pour le suivi et la coordination de ce programme. Alors, euh, qu'est-ce que la haute autorité fait exactement dans ce projet Qu'est-ce que vous faites Tout ce qu'on fait là, c'est pour prévenir ces violences-là. C'est pour appuyer la population, renforcer la résilience de cette population, pour lutter quand même contre cet extrémisme-là et prévenir cela. Occuper les jeunes, par exemple, la création d'emplois temporaires et permanents aux jeunes, des gens vulnérables, ça peut contribuer à la prévention que les jeunes partent vers ce terrorisme-là. Est-ce que euh, la haute autorité fait également des séances de sensibilisation envers la population L'autorité euh, fait euh, largement des séances de sensibilisation. L'action phare de la haute autorité, c'est aussi la sensibilisation. C'est ça la base de la prévention même de ce conflit, à travers le fora, à travers des caravanes, des sensibilisations, du fora, des sensibilisations, des ateliers, des séminaires, des rencontres même sous-régionales. Donc voilà, c'est sur cette base que la haute autorité se focalise en action pour prévenir ce genre de conflit pour prévenir ce genre de violence. Il y a aussi le développement de l'économie locale à travers les AGR, euh, les HUMO, le renforcement des capacités des communes, des communes à travers la formation des élus ou des cadres de communes. Donc euh, voilà à résumer les différents projets sur lesquels est décliné ce programme qui est financé par euh, l'Union européenne.